Je m'appelle Shamsidine Sané, journaliste reporter à Dakar Actu TV. Bonne et heureuse année euh, pour 2021. Nous souhaitons vraiment que 2021 soit une année de prospérité, santé de diamants euh, beaucoup de succès et surtout en tout cas beaucoup d'argent pour euh, euh, les promoteurs et aussi l'atteinte des objectifs. En tout cas que 2021 soit meilleur que 2020. Maria Mafal, journaliste présentatrice à la rédaction de Dakaractu. Je souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2021 à toute la nation, la population sénégalaise ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe Dakar Actu. le cadre Dakar Dakaractu, je souhaite une bonne et heureuse année. 2021 bi ñuy dugg yàlla def si jàmm taw féex mu mën a bañ a mel ni 2020. Pape Lamane Samba Faye euh, cadreur à Actu bonne et heureuse année à tous di ñaanal ñëpp jàmm année bii di ñëw doon année bu barkeel bu xéewale année boo xamante ne jàmm rek moo fi am ñi ngi ñaanal aussi tamit ñu nekk ci hôpitaux yi euh, prison yi idem yàlla may leen ñu jotaat seen santé loolu laay souhaité ci 2021 bi yàlla ñu ko yàlla defal yàlla ñu ko yàlla may man la madame Seck Khady Dakaractu maa ngi leen di souhaité bonne et heureuse année di ñaan jàmm ju sax dàkk nag ci biir Dakaractu yàlla defal ñu sutura ñu yokk ba yëg ko yàlla musal ñu ci mbas bi kenn bañ ko fee tuddati ñu koy dégg ba faw si bàkk alxuraan mbàkk yonent yàlla Muhammad ma leen di souhaiter bonne heureuse année 2021